forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou à l'écoute des programmes du studio Kalangou. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce mardi 14 février 2017 dans le cadre du forum du studio Kalangou. Il est 18h15 minutes. Mardi dernier, exactement une semaine de cela, les membres du comité chargé de la relecture des thèses sur la communication au Niger se sont réunis pour faire des propositions de modification de certains tests sur la communication au Niger. Nous verrons les tests qui ont été modifiés, les changements apportés à ces articles, leur contenu. Comme invité pour en débattre, nous recevons Arji Seydou, journaliste euh, juriste, euh, Keita Lalo, journaliste également, et Djaharou Mamon, membre du comité de la maison, du bureau de la maison de la presse. Euh, bonsoir à tous, bienvenue au micro Diallo Mariama Kenda. Je l'annonçais tout à l'heure, Monsieur Arji Seydou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jaharou Maman. Bonsoir. Notre troisième invité est donc hors de ce studio. Il sera en ligne avec nous. Il est en ligne d'ailleurs. Monsieur Lalo Keita, bonsoir. Nous l'avons perdu. Nous reviendrons sur cet invité et euh, tout à l'heure. merci à tous, messieurs, euh, d'avoir effectué le déplacement. Je parle de monsieur Maman Diaharou et de monsieur Arji Merci à vous aussi. Alors donc, euh, je, m'en vais tout à l'heure donc vous poser cette question, mais avant de de revenir sur la relecture euh, de, ces tests, euh, nous allons euh, vous demander de qui est composé ce comité qui s'est donc réuni autour de ces travaux. Merci. je pense que le comité, c'est comme de, tradition administrative et, décisionnelle. C'est au, au, ministère de la Communication de, qui a initié la révision de, des textes, mais il a fait appel à des personnes ressources. Et ces personnes ressources, euh, y compris euh, la maison de la presse, qui avait désigné deux représentants. Euh, ces deux représentants ont été choisis sur... qui étaient ces personnes ressources C'était Bouba Diallo, ancien président de la maison de la presse, ancien président de, de l'ANEPI aussi, et Ado Wada, qui est de, de Santa Presse, qui est le le SG de, euh, de la maison de la presse. Euh, Monsieur Argy, vous voulez ajouter les autres membres du comité, je parle du ministère de la Communication, les autres, on veut vraiment avoir des informations sur, sur À propos de la composition, mhm. plus que de citer les membres, je pense qu'il y a tout un développement autour. Parce qu'au tout début, le comité qui avait été mis en place pour faire cette relecture était essentiellement composé des gens du ministère, des fonctionnaires de l'État, et que la presse ne faisait pas partie. Ce qui est paradoxal, au vu de la pratique communément admise, on ne peut pas changer de texte d'un secteur sans impliquer les concernés, à savoir les journalistes eux-mêmes. Et ça, c'est depuis 1993, au sortir des premiers états généraux de la presse, les journalistes ont toujours été impliqués. Et heureusement, par la suite, suite à la protestation des médias, on a inclus des représentants des médias que j'avais avait cités. Alors maintenant, ça va. Vous êtes, euh, je, veux pas, je parle des journalistes. Vous êtes soulagés. Nous avons donc en ligne euh, Monsieur Lalo Keita. Monsieur Lalo Keita, bonsoir. Alors, donc, quant à la participation de ces journalistes euh, euh, lors de ces travaux, je disais tout à l'heure, M. Seydou Argil a dit, c'est donc un soulagement aujourd'hui que ces journalistes, euh, en tout cas, ont pu faire partie de ce comité. bon, soulagement, je, ne crois pas tout à fait, mais le plus important, c'est que, au on a eu un comité assez inclusif. c'est vrai que, j'essaie de la rappeler tout à l'heure, euh, de tout temps, euh, ça a été la tradition. Lorsqu'il y a un comité de ce genre, euh, les représentants des organisations socioprofessionnelles professionnelles du secteur des médias sont pas soucis parce que, in il s'agit de réviser ou de faire des propositions de révision sur des textes qui les concernent au premier chef. Donc je pense que de, tous les côtés aujourd'hui, on, on a la satisfaction qu'on a eu un comité inclusif et qui a travaillé dans, dans la sérénité. Euh, tout le monde, en tout cas, qui était dans cette comité, avait le même objectif, c'est de créer les conditions de renforcer davantage la liberté de la presse euh, dans notre pays, qui est un acquis irréversible aujourd'hui. Euh, c'est évident, on ne peut pas faire des, des reculs en arrière. Donc, c'est pourquoi moi je considère que c'est une très bonne chose de d'intégrer les représentants de, de, la maison de la presse dans, dans, dans ce comité-là. J'ai vu euh, combien ils ont travaillé avec euh, beaucoup de détermination, avec beaucoup d'engagement euh, pour que les zones d'ombre qu'il y a dans ce texte-là puissent être clarifiées. Alors, on reste avec vous, Monsieur Lalo Keita, pour parler des raisons qui ont poussé à la rélecture de ces tests non, je pense qu'il y a une raison. La raison est toute simple, hein. c'est que euh, nous avons des textes aujourd'hui. des textes euh, ils ne sont pas faits pour, euh, pour, la vie. En fonction de, l'évolution du moment, on doit les adapter. Et c'est le cas. Vous avez aujourd'hui l'ordonnance sur la portant régime de la liberté de la presse, qui comme la loi sur le Conseil supérieur de la communication, qui contiennent euh, quand même des, dispositions euh, qui méritent euh, ou d'être clarifiées davantage ou d'être révisées dans le sens de permettre, pour le cas du contexte de la communication, une bonne régulation du média et pour l'ordonnance de permettre véritablement la liberté de, la presse de s'assumer davantage. Et le troisième texte, c'est le texte qui porte sur la communication au audiovisuelle qui, est un texte qui date de, 1993, et vous comprenez pourquoi euh, ce texte-là a été révisé. Euh, nous sommes aujourd'hui euh, dans un processus euh, d'avènement de la télévision numérique terrestre. Nous, nous, nous allons revenir donc sur euh, la télévision numérique terrestre, la Lokeita. Djaharou Maman, donc, pour vous, pour vous aussi, pas. Quelle était la nécessité aujourd'hui de, de quand même faire une relecture de ces tests la nécessité, nous, euh, on l'a déjà exprimée à plusieurs reprises, à, chaque fois qu'il y ait l'occasion de, le dire. Au, euh, niveau des associations socioprofessionnelles de médias, nous l'avons dit, euh, rien qu'à partir de, parlant de cette ordonnance 035-2010 du 4 juin, après six ans de mise en œuvre, et à cette année, avec euh, le 30 novembre, Journée nationale de la liberté de la presse, où il y a eu intensément de, réactions, euh, bien, euh, je pense que bien réfléchies sur la mise en œuvre de cette loi, on s'est rendu compte qu'il y a des insuffisances à corriger. Ces insuffisances sont de plusieurs ordres. Et quand vous prenez celle que moi je considère la plus importante, c'est l'appréciation même de cette ordonnance que les spécialistes du droit appellent une, une loi spéciale, euh, du moins qui n'est pas, euh, qui ne plie pas véritablement euh, un juge quand il apprécie un manquement à, à, à l'éthique ou il a en face de lui un journaliste qui est poursuivi, c'est qu'il peut mettre de côté cette loi et lui appliquer le code pénal. Alors que nous savons que le code pénal renvoie euh, directement à l'emprisonnement. Alors que l'ordonnance 035 prévoit un certain nombre de, de, procédures tendant à ne pas fragiliser l'entreprise de presse dans laquelle le journaliste qui est poursuivi travaille euh, quand il s'agit euh, de, se présenter devant le juge. Par le passé, je ne vous apprends rien, quand un journaliste est poursuivi, il est automatiquement arrêté, mis à garde à vue, et quand il dépasse les délais de garde à vue, il, est mis en mandat de poids à la prison euh, civile tout simplement en attendant de voir même que la faute n'est même pas qualifiée dans le fond et on le relaxe. Alors on, a, on, a assisté à plusieurs cas comme ça Justement, il y, a, plusieurs cas, on a, on a, tellement soulevé des cas euh, qui sont allés même jusqu'à des, emprisonnements à, plusieurs mois. Euh, alors que nous, quand on apprécie cette loi, on considère que cette ordonnance, on considère que euh, on doit l'appliquer dans sa stricte euh, réalité selon notre compréhension. Alors Ce qui a amené à ce que nous, nous avons souhaité dans la révision, c'est que beaucoup de magistrats et même de juristes euh, ne s'accordent pas sur l'appréciation de cette loi avec les, associations socioprofessionnelles de médias, notamment quand il s'agit de, de, la garde à vue. Ils considèrent que la garde à vue ne fait pas partie de la procédure euh, et que c'est le la police judiciaire, c'est pas le parquet, alors qu'on sait que quand une enquête est, en cours, la police judiciaire est au service du parquet. Nous allons permettre à nos auditeurs de bien comprendre de quoi il s'agit, quels sont ces tests qui sont concernés. La euh, Lalo euh, est toujours en ligne tout à l'heure. Il avait donc commencé à citer ces tests. Je vais donc poursuivre avec M. Arji Seydou donc, pour parler de, ces tests. je crois bien que la Keita a cité trois tests. Nous allons revenir rapidement sur ces tests, c'est Edouard J, et, décortiquer nous ces, textes pour la bonne compréhension euh, de nos auditeurs. Euh, merci. En fait, en termes de lecture, ces trois textes qui ont été euh, examinés par le groupe qui était mis en place. Nous avons d'abord l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse à laquelle Jafarou faisait référence cet axe euh, est ici des second état généraux euh, de 2010 et nous avons vu qu'il y a eu la dépénalisation. Mais il faut dire que dans la foulée, il y a eu beaucoup d'insuffisances. Autant on a parlé de dépénalisation, autant certains aspects méritaient d'être clarifiés, notamment la question de la garde à vue. Nous, nous avons dit au niveau des médias que nous sommes contre la détention préventive. Les juristes, notamment au niveau du parquet, nous disent que la, détention, la garde à vue n'est pas une détention préventive. OK. Au niveau des médias, on ne se mire pas dans un débat juridique, dans un débat de sémantique. Lorsque quelqu'un en garde à vue, il est privé de sa liberté. Et c'est ce que nous voulons éviter. Et nous, nous avons dit au cours d'une conférence, personnellement, j'ai dit que les droits, c'est une question de bon sens. Est-ce qu'il est logique de priver quelqu'un de sa liberté à travers la garde à vie pour rechercher les éléments d'une infraction qui elle-même n'est pas finie d'une fin de prison. Parce que vous ne pouvez pas partir en prison. Aucun juge ne peut vous amener à la base de la loi sur la presse. Mais en vous gardant à vie quand même, on prive, c'est une arrestation aussi, vous êtes privé. Donc nous avons dit qu'il faut clarifier cela. Et je me réjouis qu'à travers ce comité, on ait trouvé une proposition qui consiste à la modification de l'article 67 relative à cet aspect pour dire qu'en matière de délit de presse, la garde à vie et la détention préventive sont interdites. Donc je pense que c'est clair maintenant. Il n'y a plus question de débat ou d'incompréhension. Le droit, c'est le droit. Le droit est dit. Alors, auparavant, c'était en matière de délit de presse, aucun juge je pense bien. Euh... Auparavant, la question de la garde à vue n'était pas réglée. Mhm. Les droits étaient mieux. Alors, qui devait, qui devait donc euh, euh, prononcer la condamnation, la garde à vue La garde à vie, initialement, c'est la police judiciaire. Mais nous savons que la police judiciaire travaille sur les parquets. Elle ne peut pas renouveler, par exemple, la garde à vue sans l'autorisation du procureur de la République. Qu'on essaie de dire, que la police judiciaire est encore indépendante. Non, ce n'est pas cela. La police judiciaire, c'est des officiers de police judiciaire qui concourent à la manifestation de la vérité et qui travaillent sous la surveillance du procureur de la République qui peut annuler ou rectifier certains de leurs actes. Maintenant, ça c'est la première loi. La deuxième loi, elle est relative au fonctionnement et aux attributions du CSC. Là aussi, nous nous réjouissons qu'on ait avant, avant d'en arriver euh, au fonctionnement euh, du, du, CSC, je vois aussi ici un autre article, euh, l'article 86. Les, organes de presse qui ne sont pas constitués sous la forme de sociétés de droit nigérienne. Oui. Ça aussi, c'est un aspect important. Voilà. Parce que de par la pratique, depuis 1992, un individu peut se lever, créer un organe de presse, en tant qu'individu, pas une société d'édition. Et là, nous avons rencontré beaucoup de problèmes, y compris dans l'organisation de l'entreprise, sa fiabilité et même sa servabilité. Mais pour mettre de l'ordre, comme cela se fait dans beaucoup de pays, on a dit que dorénavant, pour créer un journal, pour éditer un journal, il faut être constitué en société. Ça veut dire que la personne doit créer une société d'édition pour faire paraître un journal. Mais elle ne fera pas paraître un journal en tant que personne physique elle-même. Et je me réjouis aussi que cette disposition-là n'entre pas en vigueur directement. Il y a une période transitoire d'un an qui est prévue pour demander à tous les organes de presse qui ne sont pas constitués en société de les faire d'ici un an. Et que si à l'issue de ces délais, ils ne le font pas, ils seront considérés comme des personnes qui exercent illégalement la profession. Je pense que c'est une nécessité de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre dans un secteur où aussi il faut reconnaître il y a du tout. Alors peut-être qu'il fallait revenir euh, euh, en ce qui concerne donc cette loi rapidement sur la définition exacte du journaliste professionnel. Qui peut-on appeler journaliste professionnel C'est un long débat vous avez des écoles. On parle de la qualité de journalistes basée sur la détention d'un diplôme dans le journalisme d'une école de communication. Une autre approche voudrait constater la personne en train d'exercer. Donc, d'une part, on se base sur un diplôme. C'est-à-dire que la qualité des journalistes se décrète. D'autre part, elle se constate. Mais nous avons, depuis les réformes, des 90 et même des 99 essayer de faire la balance. Que le journaliste professionnel, c'est celui qui est détenteur d'un diplôme en journalisme, mais nous avons tenu compte de la situation des autres qui n'ont pas de diplôme et qui ont exercé pendant un certain moment, qui ont des qualifications. Et là, on a dit, la dernière loi, elle parlait de trois mois. On a élargi maintenant dans les propositions qui sont sorties à un délai d'un an de pratique. On estime que celui qui a fait une formation, pas diplomate, mais une situ dans une direction crédible pendant 12 mois, peut être amené, disons, peut obtenir la qualité de ce journal. En fait, on a divisé la poire en deux, mais je pense que c'est une bonne chose parce que la qualité des journalistes aussi doit être vue comme étant un niveau qui puisse faire, qui puisse permettre à la personne à qui est reconnue cette qualité de faire un travail de traitement et de diffusion de l'information en toute responsabilité. Alors nous sommes, avec deux journalistes, comme je l'ai dit. Monsieur Lalo est toujours en ligne avec nous. Alors euh, que pensez-vous rapidement de, en tout cas de, cette loi et surtout de la définition du journaliste professionnel non, moi, c'est des éléments que je, partage tout à fait. J'ai siégé dans, dans et vous savez tout le combat qu'on a porté depuis euh, toujours, c'est de, travailler à ce que la liberté de la presse se consolide dans, dans notre pays. Et c'est vrai, c'est de la, rappeler à l'instant, Il y a mon euh, général en, en, 2010, il y a eu beaucoup de débats autour de, la notion de journaliste, qui journaliste et euh, qui ne l'est pas. Et, l'idée, c'est que euh, le journalisme doit être une profession. Euh, c'est-à-dire que n'est pas journaliste qui le veut. Malheureusement, aujourd'hui, dans la profession, on constate qu'il y a un certain nombre de dérives dû à, des gens qui n'ont pas la vocation de journaliste, donc qui ont envahi la profession et euh, d'une certaine manière il posent des actes euh, qui portent euh, gravement atteinte à, l'honorabilité de la profession. Donc, pour revenir sur la, définition, c'est vrai, le débat a toujours été de dire que le journaliste est celui qui a fait une école de journalisme. Mais on sait que, de par l'histoire, les écoles de journalisme euh, sont arrivés longtemps après le journalisme. C'est pour dire que euh, ce n'est pas seulement le diplôme qui fait faire de quelqu'un un journaliste. C'est pourquoi aussi, euh, au niveau du comité, on a dit oui, on est d'accord avec le diplôme, mais il faut aussi être d'accord avec celui qui a fait une formation qualifiante et qui, pendant un certain temps, on a retenu une année, a exercé la profession de journaliste c'est-à-dire euh, il a collecté, traité et diffusé l'information. Et aussi, il y a un troisième cas, c'est mhm. euh, important de le dire, un troisième cas, c'est que ça a été déjà dit au stade généraux euh, de la presse en, 2010. Mais Ceux-là qui n'ont pas de diplôme de journalisme et qui sont dans la profession depuis, depuis très longtemps, depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'il faut en faire Oui, c'est des journalistes, puisque déjà, euh, dans l'ordonnance de, 2010, ils ont été reconnus comme journalistes. Euh, cette disposition, nous l'avons, euh, en tout cas, nous avons proposé à ce qu'ils soient reconnus, parce que c'est un droit acquis c'est des gens qui sont déjà dans la profession, qui ont fait leur preuves, donc tout le monde sait de quoi ils sont capables. Donc aujourd'hui, on ne peut pas leur dénier la qualité des journalistes. Donc voilà à peu près les trois catégories de journalistes qu'on peut répertorier et sur lesquels nous allons faire des propositions pour que euh, ces trois catégories-là puissent euh, continuer à vivre. Djaharou Maman, en tant que journaliste en exercice, quels sont vos commentaires On va y aller rapidement. Oui, je pense que c'est la, préoccupation qui a été toujours euh, celle des associations socio-professionnelles de médias par rapport à qui est journaliste a été bien prise en compte. Parce que cet aspect, je ne reviens pas sur, euh, sur euh, les, explications de, de, prédécesseurs qui, qui, sont, euh, qui ont donné une certaine vitalité à ces métiers-là qu'aujourd'hui beaucoup envient et qui viennent même sans qualification. Je dirais que ce que je peux dire, c'est la conséquence de, ce, de cette révision sur ce qui est journaliste. Moi, je me suis dit que ça donne une valeur ajoutée à la qualité du journaliste. On ne cesse de le dire que le journaliste aujourd'hui, euh, le niveau du journalisme a pris un coup, tant dans la formation et dans la maîtrise des outils euh, juridiques qui encadrent la profession de journaliste. Eh bien, avec cette euh, révision qui rehausse le niveau de, de stage pour être journaliste à un an, je pense qu'on donne, on prend déjà en charge une partie du souci de la formation. Euh, secondo, sur la question de, de, de l'entreprise de, presse, tu vas vers une société aussi, ça prend en charge euh, ce désordre, excusez-moi les termes qu'on constate, c'est qu'on se réveille, on voit des titres, on ne sait même pas celui qui l'a créé et qui n'a aucun lien, qui n'a aucune qualification pour créer un, un organe de presse. Et aujourd'hui, avec cette loi, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de, euh, de, soucis qui, qui, sont pris en charge et nous estimons que ça va ajouter une valeur à la qualité de, de la profession. Alors, euh, Arji Seydou, nous sommes avec le deuxième test. Euh, le deuxième test, c'est celui qui porte attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Eh bien, j'ai dit aussi que là, la réforme est nécessaire. Parce que, après 20 ans de pratique, de pluralisme et de régulation, nous constatons que l'organe de régulation au Niger a des faiblesses. Il a des faiblesses liées même au texte qu'il organise. Si vous prenez le CSC aujourd'hui, il manque d'autorité vis-à-vis non seulement de la presse privée, mais aussi de la presse publique qui, est même dans une position de, déviance, défiance par rapport au régulateur. Eh bien, la réforme actuelle, euh, pour moi, elle donne de plein pouvoir au CSU, e elle accroît ce pouvoir en matière de coercition. Alors, alors M. Soulet, Seydou Arji, pardon, Et nous allons revenir un peu plus haut donc avec euh, qui peut faire partie du, Conseil supérieur de la communication. Oui. nous allons aller étape par étape. Voilà. Et ensuite, euh, les, moyens de financement de, cet organe et pour venir à, à l'autorité euh, le manque d'autorité euh, de, de, moi, cette institution Moi, en principe, je ne sais pas si une déformation, je préfère commencer par les aspects qui je juge plus importants. D'accord. Tant mieux, on va suivre votre chronologie. <laughs> Merci. Si on prend la composition du CSC, effectivement, au niveau de la composition du CSC, nous avons toujours une composition qui fait un équilibre entre l'administration et les organisations socio-professionnelles. Ceci est important parce qu'à un moment, nous avons assisté à des CSC où les dosages de l'administration étaient plus élevés et où les représentants du chef de l'État étaient automatiquement présidents du conseil d'administration, du, du, conseil supérieur de la communication. Aujourd'hui, nous avons, nous sommes allés au-delà et je pense que la composition actuelle, elle est paritaire, elle est pluridisciplinaire, c'est bien. Maintenant, si vous prenez les sources de financement. Effectivement, aujourd'hui, le CSC ne tire son financement que de l'État. Et il y a des moments où le CSC peut manquer des ressources parce que tout simplement, le gouvernement n'a pas voulu mettre euh, à sa disposition l'argent, ce qui est une forme de pression. Mais maintenant, avec une partie des redevances, le CSC va avoir d'autres sources de financement et je trouve que c'est bon parce que la régulation a un prix. D'autant plus que cet organe est aujourd'hui en train de mettre des antennes à l'intérieur du, pays. Et à ce niveau, qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui est demandé exactement à ce niveau Vous avez parlé de rédévance. Oui. Ça concerne. Pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas de détails. La, proposition du contexte de loi va venir préciser, mais on sait que les redevances des chaînes internationales et très bien, beaucoup d'argent. On sait qu'une partie va concourir au budget du CSC. Mais moi, l'un des aspects les plus importants de la réforme relativement au niveau du CSC, c'est que dorénavant, le CSC émet un avis dans la nomination des responsables des médias publics. On dit qu'il donne un avis motivé. Ça veut dire que pour nommer le directeur général de l'ORTN, le directeur général de l'ONAP et tous ses services d'information publique, il faut requérir l'avis du Conseil supérieure la communication. Ce qui est important, parce que de par la pratique que nous avons aujourd'hui, les personnes nommées ne sont redevables qu'à l'exécutif. C'est une nomination politique. Et je constate que c'est une bonne chose de donner des pouvoirs au CS, mais c'est insuffisant. Il va falloir évoluer vers des appels à candidature. C'est des postes publics qui sont sensibles. Nous aurons souhaité qu'en plus de l'avis conforme que le CSI devrait donner pour la nomination des responsables des médias publics, qu'on fasse un appel à candidature pour que tous les cadres de l'ORTN, par exemple, puissent candidater et maintenant, à l'issue d'une sélection, on va prendre le maire que le chef d'État ou le Premier ministre va nommer. Vous parliez de la notoriété euh, oui, euh, euh, du droit d'agir du Conseil oui, quand le CNC. Quand le CNC n'a aucun pouvoir, il ne participe pas à la nomination du directeur d'un organe public. Mais ce directeur ne lui pas redevable. Il n'y a, aucune considération et nous l'avons vu. Alors qu'ailleurs, si vous prenez des pays comme le Bénin, où il y a la HAC participe, quand la HAC émet une décision, le directeur de l'ORTV est obligé d'obtempérer parce qu'il sait que la même HAC peut déclencher un processus pour sa révocation. Alors, euh, dans ces propositions, dans toujours ces propositions, euh, il est mentionné que le CSC, oui, il est souhaité que le CSC puisse se munir à peut-être des autorités pour avoir plus euh, de pouvoir. La force publique. La force publique pour avoir plus de pouvoir de, de, sévir à Djaharou eh, Mamana. qu'est-ce que cela signifie pour vous Est-ce que cela ne serait pas peut-être un chèque à blanc euh, pour le CSC vraiment de, plus sévir Non, je pense que c'est tiré d'une conséquence. De, de, de, c'est un constat euh, qui a amené à cette proposition de révision, je pense que c'est extrêmement important. On sait que le CSC, comme M. de l'a dit, devrait avoir euh, euh, un moyen coercitif dans ses euh, décisions. Malheureusement, le CSC sanctionne, mais n'a pas le moyen d'agir pour faire appliquer la sanction. Donc, en utilisant, en, ayant à sa disposition les forces publiques, ça lui permettrait de faire appliquer la décision qu'il a souverainement prise dans le cadre euh, de, sa mission. Je vous donne un exemple que le CSC ne cesse de, déplorer. C'est le cas, par exemple, des sanctions pécuniaires. Quand le CSC, euh, euh, selon l'échelle des, sanctions, amende, fait amender un organe de presse, le CSC n'a pas le moyen de recouvrer et de même faire plier l'organe en, appliquant cette, euh, décision-là. Ça veut dire que s'il avait une force, euh, euh, un moyen notamment les forces publiques, il peut agir pour faire appliquer la loi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent ces organes ce qui fait qu'aujourd'hui, tout récemment, vous constaterez qu'il y a des sanctions du CSC. au lieu de les apprécier et de tirer les conséquences, les leçons de ces décisions-là, non, non, les organes, même publics, se mettent à, les critiquer, à les commenter, c'est-à-dire on, remet ça sur la figure du, du Conseil supérieur de la communication. Eh bien, si une institution de l'État se fait euh, réprimander par euh, des organes de presse publique, qu'est-ce qu'on attend du privé alors, Monsieur Lalokeita, <clears throat> excusez-moi, qu'est-ce que cela va réellement changer dans le fonctionnement euh, du CSC selon vous moi, je crois qu'il faut que, vos auditeurs comprennent que le CSC, c'est une autorité administrative. On ne peut pas être une autorité si on n'a pas les moyens d'agir. Et la proposition du comité, c'est effectivement de renforcer les capacités d'intervention du CSC lorsqu'il y a des, entorses euh, à la liberté de la presse. On ne peut pas être régulateur et ne pas disposer des possibilités de sanctions. Et ce qui, ce qui arrive malheureusement au ce malgré sa bonne volonté, il n'arrive pas à sanctionner. Euh, parce que lorsqu'il y a un problème qui, se pose, la procédure peut durer jusqu'à deux mois. Or, euh, si on, donne assez de moyens de, de de sanction au, au ça lui permet en temps réel de prendre les mesures qui s'imposent euh, pour arrêter la, la dérive. On se rappelle toujours du cas de, cette radio-là euh, à l'intérieur du pays qui a diffusé euh, un, prêche du fondateur de, Boko Haram. Vous, comprenez tout le crime que cela a créé dans, l'esprit des, citoyens. Mais le CSC, parce que les textes sont insuffisants, le CSC n'a pas eu la possibilité de, mettre fin à, cette dérive-là de, de cette radio. Donc je pense qu'il faut qu'on le comprenne, que c'est une autorité administrative donc si on veut qu'elle fasse efficacement son travail de régulation au service non seulement des professionnels des médias, mais également au service des usagers, il faut qu'on lui donne les moyens. Et je pense que la proposition du, comité est effectivement de renforcer euh, la, possibilité pour le CSE d'avoir le moyens de sanctionner. Euh, fidèles auditeurs, vous suivez le forum de Studio Kalangu et nous parlons ce soir de la rélecture des tests sur la communication au Niger. Alors, euh, nous sommes euh, au troisième euh, test. C'est un nouveau test, le projet de loi portant sur la communication. Donc, un nouveau test qui prend en compte la télévision numérique terrestre, TNT. justement, à ce propos, nous avons interrogé le président de l'Association de défense des droits des consommateurs, des technologies, de l'information, de la communication et de l'énergie, Actis Niger, Abbas Abdulaziz. Il explique comment tout cela va se passer C'est un nouveau standard de, diffusion. Euh, avant, on, utilisait l'analogique. Maintenant, on passe euh, euh, à une nouvelle technologie qui est le numérique, qui va permettre d'économiser dans le spectre des télécoms beaucoup de fréquences et qui va rendre la vie conviviale à la population parce qu'il y a l'interactivité qui est là, il y a plein de choses euh, que la TNT euh, offre. C'est un nouveau standard. Comme euh, avant, les gens ont l'habitude de voir les téléphones AMPS, la venue de, la téléphonie mobile GSM aussi. Donc, c'est presque la même chose. C'est tout simplement un nouveau standard de diffusion en matière de télévision. Vous savez, actuellement, nous avons à peu près une dizaine de chaînes de télévision qu'elle soit privée ou publique, pour euh, recevoir par exemple une chaîne de télévision, elle utilise une et une seule fréquence. Ça veut dire que, à chaque fois que vous voulez euh, capter une chaîne de télé, il va falloir euh, lancer une recherche pour que ça se mémorise dans la télé. Alors que euh, en TNT, ce n'est pas la même chose. Vous avez, par exemple, la possibilité sur une seule fréquence d'envoyer toute une dizaine de chaînes de télévision sur la même fréquence. Et vous voyez, ça veut dire que si euh, aujourd'hui, dans la bande UHF, nous avons la possibilité d'installer 48 chaînes de télévision avec une euh, bande de séparation de 8 MHz par télé. Donc ça veut dire qu'avec une seule fréquence aujourd'hui, nous pouvons installer une vingtaine de chaînes de télé. Donc, pour vous montrer que au lieu d'avoir 48 chaînes de télé seulement dans la gamme UHF inférieure, nous avons la possibilité d'avoir 20 multiplié par 48 chaînes de télé. Donc, vous voyez, c'est pour euh, pallier au problème euh, de fréquence. Et là, la diffusion se fait très simple. Toutes les chaînes de télé vont envoyer leurs signaux en direction d'un seul multiplex. C'est-à-dire que c'est un équipement qui est là, qui va recevoir tous les signaux des chaînes de télé. Il les met dans ce qu'on appelle euh, un équipement dédié euh, à ça. Et maintenant, tout le monde sur une seule fréquence. Ça veut dire que quand vous êtes chez vous, vous avez besoin d'une seule antenne orientée à la direction, euh, orientée vers la direction du multiplex pour vous permettre de recevoir avec une qualité vraiment supérieure et qui va envoyer son signal vers le multiplex. Comme d'ailleurs toutes les autres chaînes de télé, aucune de ces chaînes de télé n'aura plus besoin d'un émetteur pour diffuser son programme envers le public. Tous vont diffuser par le biais de ce qu'on appelle un faisceau, d'un faisceau hertzien, qui vont diffuser leurs signaux vers le multiplex. Et ces signaux qui seront diffusés à partir des chaînes de télé privées ne seront pas reçus par le public. Uniquement, uniquement un équipement spécial qui permet au multiplex de recevoir euh, ce signal-là, le mettre dans un euh, euh, multiplex l'encoder, le moduler et maintenant l'envoyer en fonction de la norme euh, définie au Niger. C'était le président de ATIS, Niger Abbas Abdul Aziz. Euh, que ce soit au Niger ou en Afrique, la TNT, on le sait, nouvelle. Comment euh, sera faite à votre avis la régulation Je suis toujours avec Monsieur Lalo Keita. Est-ce que le test sur lequel vous avez travaillé, parce que vous avez fait partie de ce comité, permet de rassurer les responsables des médias privés qui craignent la censure de leur programme, étant donné qu'il n'aura qu'un seul diffuseur, Télé Sahel. Non, vous savez, que euh, le processus est en cours. Hein. Vous savez qu'il y a un comité technique à euh, TNT qui, continue toujours à, travailler. Et au sein de ce comité-là, vous avez toutes les sensibilités, non seulement euh, les hmm. défenseurs des, des droits comme parce que qui fait partie de ce comité, mais si vous avez les, promoteurs de l'audience, vous avez l'administration. Donc c'est un comité inclusif qui continue à travailler. Je ne crois pas que cela soit possible aujourd'hui. Que euh, à un moment où on, connaît cette évolution technologique assez remarquable, euh, qu'on puisse euh, reculer pour censurer le programme de tel ou tel. Je ne crois pas que cela soit possible dans la pratique. Et je ne préjuge pas de ce que euh, quelqu'un veuille le faire. Donc, euh, je considère que, en tout cas au niveau du, comité, l'idée c'était d'avoir un texte le plus consensuel possible. je crois que le consensus qui a été ressorti euh, des travaux de notre comité euh, augure d'une un avenir euh, qui, qui, rassure. je ne crois pas que ce soit possible aujourd'hui que quelqu'un veuille imposer la censure à qui que ce soit. Alors, Djaharou Maman, est-ce que vous avez, en ce qui concerne la censure des programmes euh, des, télévisions privées, des, préoccupations Bon, je pense que euh, moi je vois plus la préoccupation pas en termes de censure ou bien il faut la voir en termes de censure financière puisque euh, toute cette nouvelle euh, démarche euh, qui implique une, certaine technologie, c'est il faut du matériel, il faut du matériel qualifié. Et ce matériel-là, je cru comprendre que c'est à, l'État de, le fournir aux organes de presse, notamment les télévisions. Et comment euh, mon souci, c'est comment euh, l'État doit le faire. Parce que si c'est euh, dans ce cadre-là, je pense que ça dépend de comment l'organisation sera faite. Ça fait un bout de temps qu'on en parle depuis le premier gouvernement de la 7 République à aujourd'hui, on en parle, mais apparemment, ça n'évolue pas. je pense que c'est à ce niveau qu'il faut mettre l'accélérateur, c'est de faire en sorte que l'État puisse mettre euh, à disposition des organes euh, euh, médiatiques cet important outil qui, va certainement, sans nous doute, alléger euh, la charge dans la diffusion et qui est, qui est du service public, puisque l'État, il faut qu'on se comprenne, l'État ne le fait pas pour les médias. Alors, Daham, Maman, on le sait bien, euh, on le sait bien, nous sommes donc au stade de la proposition. On aimerait savoir alors euh, la procédure, je m'adresse à Monsieur Arji Soulé, Seydou, pardon, la procédure à suivre jusqu'à la mise en vigueur de ces lois. <coughs> merci. Il faut dire que la TNT est un processus qui ne date pas d'hier et que le Niger est en retard. On va aller rapidement. On aurait dû mettre la TNT depuis longtemps, mais on était en retard. Mais aujourd'hui, face à l'échéance, on ne peut rien faire. On voit directement là-dessus. Ce qui fait que il y a une période transitoire d'un an que le Niger a prévu. Une fois que la TNT entre en vigueur, les médias, les télévisions ont un délai d'un an pour pouvoir et continuer à faire l'analyse. Alors quand je parlais de procédure, je parlais de toutes ces propositions de loi euh, euh, qui ont été euh, élaborées, faites par, par ce comité. Oui, effectivement, ces lois, maintenant, elles sont avec le gouvernement. Le comité qui a travaillé, c'est sur l'initiative du gouvernement. Maintenant, il appartient au gouvernement de prendre ces textes, de suivre la procédure, à l'envoyer à l'Assemblée nationale, qui, elle, va maintenant l'adopter. Maintenant, on n'est pas sûr de ce qui va s'en suivre. Alors on termine avec euh, vos conclusions sur cette question. Si jamais toutes ces modifications sont adoptées, euh, est-ce qu'on peut parler d'avancées démocratique au Niger, notamment la liberté d'expression et de presse Monsieur, Monsieur Lalo Keita, rapidement avec vous, vous avez juste 30 secondes. Oui, non, non, non. Mais si ces textes-là sont, adoptés en, État, ça va euh, indiscutablement renforcer la liberté de la presse dans notre pays. Ça va davantage crédibiliser aujourd'hui la profession des journalistes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des directeurs de publication qui ne même pas écrit leur nom. <laughs> D'accord vous nous, <laughs> vous l'apprenez, euh, Diaharo Maman. Oui, je pense que l'avantage de ce texte, c'est de cette révision, c'est qu'elle est issue d'un constat. Eh elle est issue d'un constat et ça, veut dire qu'elle elle vise à améliorer la qualité euh, et de la, de, pratique du journalisme, tant euh, la qualité du journaliste en tant que tel pour qu'il se professionnalise. Et je, je pense que c'est ce qui est même dans, dans ces textes, on dit journaliste professionnel. Alors, alors euh, monsieur, on termine avec vous. Euh, moi, je dis que ces réformes constituent une avancée indéniable, en ce sens qu'elles doivent corriger des erreurs nées de la pratique. Mais je dis, il nous reste encore un grand chantier, c'est celui des médias de services publics. Il faut faire le débat dans ce pays sur la notion des médias de services publics, parce que les médias que nous avons sont financés par le public sous la tutelle du gouvernement. Ce n'est pas des médias publics, mais des médias gouvernementaux. Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette émission nous étions en compagnie de Monsieur Lalo Keita, journaliste, donc qui a participé aux travaux de ce comité, également de, M. Monsieur Djaharou Maman, euh, membre du bureau de la maison, membre du bureau de la maison de la presse, et M. Euh, Monsieur Arji Seydou, journaliste, juriste. Merci infiniment d'avoir pris part à cette émission. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Au revoir.